je pense que le prix est mérité. Et la distinction également. Merci. Madame euh, Anissa Boumeguen, donc c'est l'épouse de l'ancien président Wari Boumeguen, qui est aussi un africaniste convaincu et un humaniste reconnu. Je suis très heureuse de pouvoir offrir euh, ce trophée euh, qui a été, qui représente euh, l'image de Madame Myriam Makeba, qui était une grande patriote euh, africaine. Et je souhaite tout bon espoir et pleine réussite à, euh, au nouveau Sénégal. Alors, ce trophée va aller à Dakar avec notre ami Souleyman notre ami, c'est Mme Wali la combattante, la femme lumière, celle qui nous vient d'Algérie, qui va remettre ce trophée au représentant de Ousmane Sonko, où est l'autre Baba Carval Souleyman euh, juste dire euh, merci pour tous les Africains qui se battent pour euh, un avenir meilleur. Merci pour ceux qui ont pensé à lui. Et merci au peuple sénégalais, à la jeunesse euh, qui a participé à ce combat-là pour confirmer l'ambition du président Ousmane Sonko. Merci également pour le président de la République, M. Bassirou Djamay, qui est un des acteurs fondamentaux du projet. Merci à tout le monde, merci beaucoup. les premières décisions du gouvernement de notre ami Bassirou Faye, ce sont de très, très, très, très bonnes décisions. Lutte contre la pollution, donner la place à la jeunesse, donner du travail aux jeunes, éviter que ces jeunes Sénégalais viennent ici mourir bêtement alors que le paradis est à Kaolac, à Saint-Louis, à Ziguinchor. Il faut que nos jeunes restent au Sénégal. Et nous allons faire les états unis pour trouver des pistes pour que nos enfants restent en Afrique. C'est très important. Pourquoi Makeba Parce que Makeba n'est qu'un nouveau cap à travers de ses chansons. Il faut donner frère, frère apartheid, la deuxième ségrégation euh, raciale. de doon xeex pour que l'Afrique émancipe. donc il y a tax tey ñu jël prix bi méngale ko Ousmane Sonko. parce que pour xam Ousmane Sonko li mu jot a tënk ci ay livres bien que découvreegul mais de xaw a similaire par rapport gëm-gëm yi nga xamé ni nii kat boobu di Myriam Makeba moom la doon am na ñaari icône ñoo am icône Myriam Makeba nek jigéeni jambar bu xeex pour Afrique xeex pour pour pour justice xeex pour apartheid xeex pour loolu moom la président Ousmane Sonko aussi xeex bir Sénégal xeex ko bir Afrique porter combat ak Afrique comme les comme Miriam Makeba porté won aussi pour Afrique pour ñëpp am sen àq ak sen yelleef ànd icône bi président Ousmane Sonko son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme ça ñu jéem a Sénégal yëkkati Sénégal ànd ci réussir projet bi et ensemble euh, remise de trophée bi dafa nek lu war parce que ñun au niveau de la diaspora française nous avons liggéey bu euh, pour porter le combat porter le flambeau du combat pour que le Sénégal puisse retrouver retrouver souveraineté Pour ñu nee combat bi ñëpp xam France ak diaspora bi amna taxaway ba am solo buñ ko def. donc prix bi ñu jox nak le président Ousmane Sonko. ñun lañ ko jox ñun ñi nga xamné té paré ñu choisir lieu bi nga xamante fi ci France fi nga xamné combat bi fi lañ ko gëna porter tamit ñu ñëw joxat def ci remise de trophée au président Ousmane Sonko dañ koy rafetlu lool mo waral suñu téway ñu bàyyi suñu activité politique dal di ñëw fi recevoir le trophée avec euh, le ministre euh, Bassir euh, le ministre Birame Souleye ak Abbas Fall, le député Abbas Fall et le journaliste Sadipto et l'ensemble des, des, des, membres de, de Pasteur France, Nyom Manga, Nyom Asson et tout ça, Nyom Abi. Donc, de refaire le c'est un trophée qui nous va droit au cœur parce que wax deug yalla trophée ku nous ne xam nga euh li Myriam représenter ci ci Afrique et à travers le monde. Merci beaucoup. Tous les